23 août 2024, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, vous qui nous suivez sur les ondes de nos radios partenaires, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Fanta Chansu et aujourd'hui je suis en compagnie de Salamatu Kadri. Bonjour Salamatu, comment tu vas ce matin Je vais bien Fanta. Nous tenons aussi à faire un coucou à la talentueuse équipe qui nous accompagne tout au long de cette émission. Mustapha Yuba à la technique et Adam Adamwaki à l'édition. Alors Fanta, dis-moi, quel est le programme du jour au menu ce matin, il y aura toutes ces rubriques qui ne sont plus à présenter dans cette émission. Le flash d'information, la culture linguistique, la page sport, la rubrique hebdomadaire sur l'entrepreneuriat. Nous ferons aussi un tour à Ottawa de la partie éco des régions. Et pour l'entretien d'aujourd'hui, nous donnons la parole à Dr Halidou Alassan Hadou. Il est chercheur indépendant en sciences de l'eau et de l'environnement. Mais avant, place à l'essentiel de l'actualité avec notre incontournable moment d'information. Akio Roketo Abdraman pour le Flash Info. Bonjour Rokaya. Bonjour Fanta, bonjour Salamatou. Bonjour Ruki. Bonjour fidèles auditeurs. Alors pour ce flash d'aujourd'hui, le ministère des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou a officiellement lancé hier la reprise du trafic routier sur l'axe Niamey-Dosso RN1. Rappelons-le, cette voie a été coupée depuis le week-end passé à la suite des fortes précipitations enregistrées dans la région de Niamey. Les travaux d'entretien ont, ont consisté à la reconstruction des portions de route endommagés ainsi que le renforcement des infrastructures de drainage pour prévenir de futures dégradations. Toujours dans ce flash, le gouvernement a adopté un projet de décret qui prévoit une réduction de moitié des tarifs de prestations de soins dans les formations publiques de santé à travers tout le pays à compter du 1er septembre 2024. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres du jeudi 22 août 2024. Cette mesure euh, vise à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les Nigériens. Selon les données, seulement un Nigérien sur deux a accès à une structure de santé dans un rayon de 0 à 5 km. 2 à L'indice moyen de couverture en services essentiels de santé était au moins de 50% en 2021. De plus, les ménages nigériens supportent plus de 40% de leurs dépenses pour la santé, un fardeau financier lourd pour les familles aux revenus modestes. Toujours lors du Conseil des ministres d'hier, le chef de l'État a donné des instructions pour qu'un montant de 2 milliards de francs CFA issus des recouvrements de Coldef soit affecté aux opérations de prévention et gestion des inondations au Niger. De même, un réaménagement budgétaire est retenu pour une allocation d'un montant de 10 milliards consacré à ces opérations. Et c'est tout pour ce flash d'informations. Merci Rukaya pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin, vous suivrez un entretien que nous a accordé Dr Alido Alassane Hado. Il est chercheur en sciences de l'eau et de l'environnement. Il nous édifiera sur le phénomène des inondations. Mais avant de l'écouter, Fanta, faisons un premier tour en musique, chers auditeurs, pour bien vous vous installer, nous vous proposons Nyala Matenhire de Fatima riku Nyala Matinhire, Matinhanga Hira Halanda Baba Yanhire. Igo Samai Walla. Nyala Ifonide, Ifonide Nyale Aiwoga Baya Tukwara. name y más Le titre Lignala Matinhire, interprété par la voix d'or de la musique nigérienne Fatima Rico, est une mélodie poignante qui raconte l'histoire déchirante d'un amour contrarié. Les paroles révèlent la triste expérience de deux jeunes épris l'un de l'autre, désirés de sceller leur amour par le mariage. Cependant, le rêve de bonheur est brisé par le refus des parents de la jeune fille d'accorder la main de leur fille au jeune garçon. Malgré l'intensité de leur amour entre les deux passionnés, les obstacles sociaux et familiaux se dressent entre eux, leur faisant un sentiment de déception profonde. La douce voix de Fatima Rico parvient à, transmettre avec émotion les tourments de ces récits faisant de Nyala Matinikire bien plus qu'une simple chanson, mais une expérience musicale chargée de bouleversements et de réflexions sur les défis de l'amour dans un contexte culturel complexe. inna yon wongu halanda abayam manta e isanna Retour au studio après cette chanson émouvante de Fatih Mariko pour entamer la première partie de l'entretien du jour. Ici, docteur Halidou Alassane Hado nous explique les différents types d'inondations fréquents au Niger et leur lien avec le cycle de l'eau. Ok, bonjour docteur. Oui, bonjour madame Fanta. Euh, alors, euh, l'actualité au Niger est marquée par des inondations. Que pouvez-vous nous dire à propos de ces inondations euh, je remercie d'abord le studio Klangwood de m'avoir invité donc, mm. euh, sur ces questions qui font l'actualité euh, au Niger. par rapport à ces inondations, je pourrais juste dire que toutes ces inondations sont liées donc au cycle de l'eau. Mais alors, qu'entendez-vous par cycle de l'eau Le cycle de l'eau, il y a le cycle naturel de l'eau, Aujourd'hui, euh, ce cycle naturel de l'eau, il a été fortement anthropisé. Donc, il a été modifié par les effets du changement climatique et les activités anthropiques. Donc, pour commencer d'abord le cycle de l'eau, je serais obligé donc de euh, d'expliquer un peu le phénomène de la pluviométrie, donc comment se forme la pluie. Euh, globalement, il y a un ensoleillement intense, donc qui provoque une très forte évaporation. Alors, vous avez des masses d'air, donc qui sont chargées d'humidité, ces masses d'air chargées d'humidité euh, vont acquérir un mouvement ascendant, monter en altitude. Elles vont euh, se refroidir, se condenser pour former des nuages. Alors ces nuages, une fois qu'ils sont formés, ils vont se regrouper, ils vont s'attirer, et ils vont avoir un poids euh, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des nuages clairs et des nuages sombres. Donc lorsque les nuages sont clairs, c'est-à-dire que ce sont des nuages qui ne sont pas très lourds mais lorsque les nuages sont, ont une coloration sombre, ça veut dire que ces nuages sont vraiment lourds et lorsqu'ils ont, euh, lorsqu'ils ont un poids qui est supérieur à la portance à laquelle ils sont soumis, donc ils vont tomber sous forme de, euh, pluie ou, voilà, ou de grêles. Mmh. Donc euh, <laughs> généralement, on connaît la pluie ici. Mmh et euh, c'est cette pluie-là qui, cause ces inondations euh, À la base, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est ces cycles de l'eau. Donc, parce que lorsque la pluie va tomber, il va y avoir plusieurs paramètres. Donc, vous avez déjà la pluie, un premier paramètre. Ensuite, un autre paramètre, donc le ruissellement, donc euh, cette pluie qui va ruisseler. Et lorsqu'il va ruisseler, en fonction de l'altitude du relief, donc du terrain, donc ces eaux vont atteindre le niveau le plus bas, qui va être une mare, une rivière ou un fleuve par exemple, qu'on appelle l'excitoire naturellement. Et maintenant, vous avez cette pluie qui va tomber, qui va constituer donc des inondations pluviales. Et maintenant, euh, les eaux qui vont ruisseler, euh, généralement lorsque ça va atteindre le fleuve, on va parler d'inondation euh, fluviale lorsque le fleuve arrive à déborder. Et vous avez un autre paramètre donc qui va être constitué de l'infiltration. Donc l'infiltration, c'est lorsque ces eaux vont transiter de la surface vers la profondeur pour aller recharger la nappe phréatique. Mhm. Euh, lorsqu'ils atteignent la nappe phréatique, on va parler de percolation. Donc vous avez l'infiltration et lorsqu'ils euh, qui vont s'infiltrer de manière profonde pour atteindre la nappe phréatique, donc on va parler de percolation. Donc là, vous avez demandé tout à l'heure euh, les différents types d'inondations. Donc là, vous voyez globalement que toutes ces inondations sont liées au cycle de l'eau. Donc on a les inondations pluviales qui concernent presque tous les quartiers de la ville de Niamey, mhm. donc liées à l'absence ou la défaillance d'un réseau d'assainissement. Voilà, des caniveaux. Euh, les inondations fluviales qui concernent les quartiers riverains du fleuve. Voilà. Et les inondations euh, euh, liées à la remontée de la nappe phréatique. Donc, là, c'est les inondations originales. Donc, les gens ont tendance à confondre comment ça se passe. Ou... Mais alors, docteur, euh, quels sont les impacts causés par ces inondations Chaque type d'inondation provoque spécifiquement donc, un type d'impact. Donc, maintenant, pour les inondations pluviales, donc, vous avez les impacts qui sont d'ordre environnemental, économique, sanitaire ou social, parce qu'on a la rupture du tissu social. Vous avez euh, ces mêmes impacts qui vont se reproduire euh, au niveau des inondations mhm. euh, fluviales aussi, et les mêmes impacts au niveau des inondations liées à la nappe Maintenant, pour les inondations euh, fluviales ou pluviales, il peut y avoir un impact aussi sur l'alimentation, donc au niveau de la perte donc, de, des spéculations, au niveau mhm. du rétrécissement du périmètre irrigué ou carrément la perte donc, de, ces, de ces périmètres irrigués. Et euh, sur le long terme alors Sur le long terme. Qu'est-ce qu'une inondation peut provoquer euh, Sur le long terme, en fait là, je serais obligé d'être technique. <laughs> Donc, vous savez, euh, en fait, si vous avez le, le fait que les eaux séjournent, ces eaux vont provoquer donc des plans d'eau, n'est-ce pas Donc les plans d'eau qui vont, les plans d'eau c'est des mares par exemple, mhm. donc qui vont séjourner dans les, dans les maisons, ça va encore parce qu'on peut les évacuer hors des maisons, n'est-ce mhm. pas Donc si on les évacue hors des maisons, ces eaux vont retrouver un lieu propice donc pour leur assise. Donc ces eaux vont s'asseoir, n'est-ce pas, dans les quartiers. On mhm. voit des, des, des, des flancs d'eau donc, qui se mettent en place dans des quartiers. Et ils vont permettre le colmatage ou bien la cimentation donc de la structure du sol. Donc vous avez par exemple un sol qui est euh, argileux sableux mhm. et lorsque ces eaux vont séjourner, euh, ça va constituer une sorte de lien entre euh, les, différentes, les différents grains constituants du sol. donc on va, ça va réduire la porosité du sol en Donc on va avoir un problème d'infiltration. Un problème d'infiltration. Donc à la longue, ces lieux va être donc un lieu propice vraiment pour leur assise. C'est que à chaque fois, donc saison, quand elles arrivent, mhm. elles vont rester à cet endroit. Mhm. Et quand elles restent, vous voyez les impacts que ça peut produire. C'est beaucoup plus donc la prolifération donc des, des moustiques et des vecteurs donc des, des maladies. Merci docteur, on va aller euh, pour la pause et on se retrouve juste après. Chers auditeurs, c'était Dr Halidou Alassane Hado, chercheur en sciences de l'eau et de l'environnement au micro de Fanta Chamsou. Avant de revenir sur cet entretien, nous allons accueillir Nafisa Surfo pour la revue de la presse. Bonjour Nafisa. Bonjour Salamatou. Bonjour Fanta. Bonjour Nafisa. Nafisa, inondation au Niger, le gouvernement débloque 12 milliards de francs CFA en réponse à la situation. Ah, nous annonce l'agence nigérienne de presse ANP. Oui, c'est à l'issue du Conseil des ministres du 22 août 2024 que la décision a été prise par le gouvernement nigérien. Il a ainsi décidé que le financement de la gestion de ces inondations soit assuré essentiellement par les ressources propres de l'État. À cet effet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a donné des instructions pour qu'un montant de 2 milliards de francs CFA issus des recouvrements de la COLDEF soit affecté à ces opérations rapportées à l'ANP. De même, un réaménagement budgétaire est retenu pour une allocation d'un montant de 10 milliards de francs CFA consacré aux opérations de prévention et de gestion des inondations. Selon toujours le Conseil du ministre, le Niger a enregistré cette année une pluviométrie particulièrement abondante qui malheureusement a causé plusieurs pertes en vue humaine et des dégâts matériels importants sur les infrastructures routières et autres biens appartenant à l'État ou aux populations. Pour faire face en urgence à cette situation, le gouvernement rappelle qu'un comité national de prévention et de gestion des inondations a été mis en place le 10 août. Il a ainsi fait le point de ses travaux, particulièrement en ce qui concerne les conséquences des inondations enregistrées et les réponses à apporter pour soulager les populations impactées. Alors, à la date du 20 août 2024, le bilan des 17, 217 pertes en vue humaine dont 108 par noyade et 109 par effondrement de leur habitation et 200 personnes blessées ont été enregistrées. Au niveau des infrastructures routières, des dégradations ont été enregistrées sur plusieurs axes. Et sur euh, le site d'information en ligne Airinfo, on peut lire, je cite, plus de 4 millions de personnes affectées par l'insécurité et les changements climatiques selon OCHA. Et c'est à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire à célébrer le 19 août que Dr Modibo, chef du bureau pays d'Ocha, a alerté sur la situation humanitaire critique du pays. Le Niger, situé en plein cœur du Sahel, est confronté à une combinaison dévastatrice d'insécurité et des effets du changement climatique touchant des millions de personnes chaque année. Selon lui, cette insécurité pousse des villages entiers à fuir leur habitation, aggravant en encore la situation humanitaire et en plus de ses propres défis internes, le Niger est également exposé à recevoir des personnes victimes de l'insécurité qui sévit dans les pays voisins, a expliqué le chef du bureau au Tchad Niger. Selon cela pourrait naturellement augmenter la pression sur les ressources limitées du pays. Face à cette situation, la communauté humanitaire a élaboré un plan de réponse humanitaire pour 2024, a fait savoir le docteur Traoré. Ce plan qui vise, selon lui, à mobiliser 672 millions de dollars, soit à plus de 330 milliards de francs CFA, afin de répondre aux urgences de plus de 4 millions de personnes affectées par ces crises. Nous, arrivons rarement à mobiliser cette somme, mais l'objectif c'est de pouvoir mobiliser plus de 50% des sommes nécessaires, a-t-il précisé. Ce financement est indispensable pour fournir une assistance vitale aux populations vulnérables, qu'il s'agisse d'abris, de nourriture, de soins, de santé ou de protection. Au Conseil des ministres, le gouvernement réduit de 50% les coûts de prestations dans les, dans les, formations sanitaires publiques à compter du 1er septembre 2024. Et eh oui, Salam, tout le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du CNSP et du gouvernement pour l'amélioration de la santé des populations, indique le communiqué qui relève à cet effet que le niveau actuel des tarifs des prestations de santé dans les formations sanitaires publiques est très disparate et constitue une entrave majeure pour l'accessibilité aux soins de la population. Cette nouvelle tarification fait savoir le communiqué consiste à une réduction de 50% des coûts actuellement pratiqués dans les formations publiques de santé et concerne les prestations suivantes, les consultations curatives des personnes de plus de 5 ans, la mise en observation des malades, les hospitalisations, les examens de laboratoire, les examens d'imagerie et les actes médicaux chirurgicaux. Par ailleurs, poursuit le communiqué, les accouchements sont gratuits et désormais pour la dialyse, les patients n'auront plus à constituer le forfait à vie qui est de 150 000 francs CFA. Et d'autant que ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024. C'est la fin de cette revue de presse. Merci beaucoup, Nafisa, Chers auditeurs, poursuivons notre émission avec l'entretien du jour. Dans la deuxième partie, docteur Halidou Alassane Hado nous parle des conséquences que peuvent engendrer les inondations sur le long terme et quelques précautions pour minimiser les risques à Niamey. Alors, euh, docteur, nous revoici pour la deuxième partie de notre entretien qui euh, porte aujourd'hui sur les inondations et le cycle de l'eau ici à Niamey. Alors, euh, quelles sont les précautions qui doivent être prises dans le contexte actuel de l'alerte rouge ou bien qui a même dépassé l'alerte rouge qui plane sur Niamey par rapport à la montée des eaux du fleuve Concernant les inondations liées au fleuve, j'ai dit sont de deux types. On a des inondations euh, qui s'observent donc pendant la, la crue locale ou crue rouge donc j'ai dit, c'est une inondation qu'on observe pendant la période pluvieuse. Mhm. Donc elle est liée aux apports donc, des eaux qui proviennent des affluents du fleuve, tels que le, Gorouol, la Sirba et le Dargol, mhm. donc, qui, qui vont venir. Bon, il a été dit que entre 60 et 80 ces inondations liées, sont liées aux apports de la SILBA, mais on est aujourd'hui en train de le démontrer ou de chercher à le démontrer. Et maintenant, après, vous avez des inondations qui s'observent maintenant pendant, euh, bon, enfin, des crues pendant la, la période qui part de novembre jusqu'à souvent janvier ou début février, ce sont des, des, crues qu'on appelait des crues maliennes ou, ou guinéennes. Mm. Donc là, c'est l'apport des eaux qui viennent de, du Mali ou, de la Guinée. Donc voilà. Euh, l'alerte rouge, euh, il a été décrété à la côte, je crois, 620. Bon, aujourd'hui, j'ai pas effectué de lecture, mais hier, on était à 672 cm. Donc ça veut dire que l'alerte rouge, elle a euh, été largement dépassée. Et là, euh, ce que ça veut dire, c'est que la population donc doit être vraiment prudente. Donc c'est de, multiplier donc les, sensibilisations. Est-ce que vous pensez que l'évacuation des zones inondables est nécessaire Oui, bien sûr. Déjà, dès qu'on dépasse l'alerte rouge, il faut penser à évacuer. Il faut déjà suivre donc des recommandations des autorités compétentes. Donc pour euh, pour Niamey, quelles sont les zones euh, dont vous pensez qui doivent être euh, euh évacuées rapidement Il y on, assiste déjà euh, au rétrécissement donc, de certains périmètres irrigués. Je me dis que ça nous alerte déjà. Donc les gens doivent commencer à quitter les lieux. Donc les lieux qui sont beaucoup plus donc voisins de ces, du lit du fleuve. Donc il mm. faut carrément évacuer parce que si on regarde, il y a des zones qui ont été déclarées donc des zones inondables. Alors donc il faut déjà penser à quitter tous ces lieux qui sont des gens qui sont dans des bas-fonds ou qui sont euh, au mhm. voisinage de ces fleuves. Et euh, qu'est-ce que vous recommandez comme stratégie pour minimiser les risques ici au Niger en général si on prend pour minimiser les risques, euh, en fait, les stratégies, c'est d'écouter déjà. On a des ministères ou euh, des structures donc, qui, qui s'en chargent de toutes ces questions. À l'égard de la population, c'est d'écouter ces structures, de suivre à la lettre donc les, recommandations de ces structures. Et ça, c'est premièrement. Et de deux, à l'égard du gouvernement, de prendre en compte les aspects techniques, d'associer euh, les chercheurs de manière générale donc à la prise de décision. Pas que les chercheurs, donc d'associer tous les planificateurs les décideurs, les, usagers. Cette association, elle va beaucoup aider dans la, planification, donc mhm. dans la gestion aussi de ces, fléaux. D'accord, euh, une dernière question. Quelles seraient selon vous les approches les plus efficaces pour prévenir les inondations dans une ville comme Niamey L'inondation à Niamey, c'est un truc qui mérite une gestion globale. Donc quand je dis gestion globale, c'est euh, l'association ou la combinaison de plusieurs disciplines euh, avant les caniveaux, il mm. faut d'abord des études. Donc j'insiste beaucoup sur l'aspect études. Donc il ne faut pas faire des caniveaux euh, pour, pour des caniveaux. Donc vous voyez, il y a des normes. Donc, et ce sont des normes, quand je dis euh, association de plusieurs disciplines, vous avez euh, l'hydrologie, vous avez l'hydrogéologie, vous avez le génie civil, vous avez beaucoup d'autres paramètres donc, qui vont entrer en jeu. Donc par exemple là, j'ai l'obligation de comprendre euh, la pluviométrie, j'ai l'obligation de comprendre le relief des Nyamé, par exemple, comment il se passe. C'est pour les inondations pluviales de densifier donc ce que vous dites les caniveaux, mais à la base avec des études. Ensuite, pour les inondations fluviales, euh, la base de ces inondations, c'est beaucoup plus ce qu'on appelait euh, le changement climatique. Donc, euh, ensuite, qui est venu être exacerbé par euh, des activités anthropiques telles que la déforestation maintenant. Donc, parce que si on coupe toute la végétation, vous avez le degré de ruissellement qui va augmenter et du coup les eaux vont venir avec beaucoup plus de charges polluantes qui peuvent être solides ou liquides. Et lorsqu'il y a du sable dans le fleuve, euh, la capacité de rétention donc, de l'eau, elle est réduite. Mhm. Et lorsque cette capacité de rétention de l'eau est réduite, les eaux auront tendance donc, à dégénérer pour mhm. atteindre donc, euh, les habitations. Donc c'est beaucoup plus le reboisement maintenant. Si on doit parler de solution, on a les caniveaux, le reboisement. Et là, pour le troisième type d'inondation, c'est euh, de faire des caniveaux, mais souterrains. Donc ce ne sont pas des caniveaux visibles, mhm. par exemple. Il faut étudier le niveau de la nappe, par exemple, et maintenant faire des caniveaux souterrains pour essayer de drainer euh, ces eaux vers l'exitoire. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler sur la modélisation hydrologique donc, euh, des crues du fleuve, euh, le cas de, la Sirba, des apports de, la Sirba, pour essayer de voir les apports de la Sirba, par exemple, dans, le cas des inondations à Niamey. Nous sommes également en train de travailler sur un autre modèle pour voir quel type donc, de caniveau on va mettre en place à Niamey pour essayer donc euh, de réduire ces inondations pluviales. Donc pour ces deux travaux, euh, ce sont des travaux de thèse qui sont actuellement en cours, mm. euh, dont l'une est en encadrement avec euh, l'Institut l'Institut Eaux, Donc, je suis dans le comité de suivi de ces travaux. Et l'autre, c'est à l'Université Abdou Moumouni de Gamé. Et actuellement, moi-même, je suis en train de travailler sur la modélisation hydrogéologique. Donc, hydrogéologique, c'est celle qui concerne euh, le troisième type d'inondation. Donc, on va voir quelle quantité pomper, où ou drainer, et comment la drainer, quel type d'utilisation on peut faire avec ces eaux, ainsi de suite. Merci beaucoup, docteur, euh, d'avoir répondu à notre invitation et pour toutes ces explications. Euh, je vous en prie, euh, comme on le dit, la Boussanino, donc... <laughs> Passez une excellente journée. <laughs> Merci, bonne journée à vous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est à présent temps de plonger dans le monde inspirant de l'entrepreneuriat avec notre rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, dans la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat, nous vous invitons à explorer la révolution numérique qui transforme notre manière d'épargne, d'investir et de gérer notre argent. Il s'agit de la finance digitale. Écoutons les explications de Hassan Adamou. Il est senior business and development à eFuture. Il est interrogé par Asman Aboubakar e future est une structure qui a été créée en 2015. Donc nous intervenons dans tout ce qui est digitalisation des moyens de paiement. Nous avons digitalisé tout ce qui est BAC dans l'éducation. Nous avons un côté BAC et nous sommes dans le cash transfert, les encaissements, tout ce qui est paiement. Donc nous avons en tout cas une solution qui s'appelle IPI. IPI, c'est l'agrégateur qui est interconnecté à l'ensemble des moyens de paiement de la place. Donc aujourd'hui, nous sommes là, on a pensé utile de venir à participer à cet événement pour en tout cas montrer un peu ce que nous faisons, la mission qu'on a. Nous avons révolutionné un peu le système à travers la digitalisation des moyens de paiement qu'on a mis en place, à travers la création de plateformes pour accompagner ces humanitaires dans leur paiement quotidien, dans leur quotidien en fait. Donc voilà un peu ce qu'on est venu faire et je pense que ça s'est bien passé. Ils sont venus, ils ont vu nos solutions innovantes qui sont créées par des localement. Donc euh, aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on fait Nous accompagnons ces humanitaires sur le terrain, faire du cash transfert inconditionnel, du cash for work. Nous accompagnons ces humanitaires pour payer des bénéficiaires, des populations qui sont dans des situations compliquées. Nous les accompagnons pour les paiements à travers toujours nos solutions innovantes. Nous les accompagnons aussi à travers nos solutions digitales pour leur paiement de perdiens, euh, cash transfert. Donc voilà un peu l'activité que nous menons à travers les humanitaires. Comment se passe la finance digitale La finance digitale chez nous, c'est a ce que euh, nous avons des structures, nous avons nouer des partenariats avec les autres opérateurs de paiement de la place. Et maintenant, ces opérateurs de la place qui sont aussi nos partenaires et c'est à travers ces partenaires de la place que nous sommes partis nouer des partenariats aussi avec les humanitaires pour leur dire que, OK, écoutez, nous avons une solution qui est là pour vous faciliter vos transactions euh, financières, pour faciliter l'inclusion financière de vos populations. Parce qu'il ne suffit pas de donner l'argent aux populations, il faut les accompagner derrière. Et c'est là que nous intervenons. Et comment travaillez-vous dans les zones qui n'ont pas de connexion Internet Le digital, il reste beaucoup à faire côté euh, couverture Internet et tout. Mais en plus de cela, dans des zones où il n'y a pas d'Internet, dans des zones où il n'y a quand même pas de réseau, nous avons des points focaux, des relais qui sont là. Dans chaque région, il y a plusieurs relais qui peuvent intervenir immédiatement pour en tout cas euh, bloquer le choc. Comment faites-vous la monétisation de l'argent C'est un terminal qui est là. Avec ce terminal, euh, les bénéficiaires chez un boutiquier, euh, il a son terminal. Et les bénéficiaires vont avec leurs cartes. C'est un bon électronique. Les humanitaires doivent donner ces cartes aux bénéficiaires. Et ces bénéficiaires là, une fois ils tapotent notre point focal va validé et la transaction est finie. Soit on lui donne des vivres ou bien on lui donne de l'argent. C'est comme ça ça marche. Et finalement, il est satisfait on récupère nos cartes, on donne à la structure. Donc c'est des e-vouchers. C'était un entretien accordé par Hassan Adomou, Senior Business Development à e-future. Voilà, Fanta, pour la deuxième musique du jour, nous rendons hommage au défunt de de décédé le 23 août 1988, il y a exactement 36 ans aujourd'hui. On l'écoute. tashi dan karace mun rogo mai sanda guda ba shi jihon kura mai riga guda ba shi da wukan sabko mai mata guda ka daina zagin gabro mataka in tabarka kai ma ka koma gabro El Hachtaya c'est sans nul doute l'une des plus grandes figures artistiques du Niger. C'est son nom d'ailleurs qu'a porté le Centre de formation et de promotion musicale de Niamey, le CFPM. Tout à fait, Fanta. Il faut retenir que le fait e El Hashtaya est un musicien et chanteur nigérien. Il est incontestablement l'une des figures les plus emblématiques de la musique moderne nigérienne. Pionnier de cette musique, il domina la scène musicale des années des indépendances jusqu'à sa mort prématurée en août 88 alors qu'il avait juste 36 ans. Voilà, chers auditeurs, c'était le feu El Hajitaya, qu'il repose en paix. Fanta direction et direction à Sarnawa. Oui, Sarnawa, plus précisément à Sarnawa, pour parler de Nana Kadija, pour parler de Nana Kadija. C'est une jeune fille passionnée par le métier de forgeron hérité de ses parents. Elle fabrique divers objets en métal allant des outils agricoles aux articles de décoration tout en préservant les techniques artisanales qui lui ont été enseignées. Écoutons le reportage de Haruna Ibrahim. Sana'ar kira sana'a ce wacce Malam Bahaushe ke yin ta shekaru aru aru wacce galibinta an san maza ne ke yin ta. Mai abin mamaki a cikin kauyen Kade komin din ɗin Tsarnawa kilomitar sha uku zuwa sha biyar da birnin kwaniwa wata mata mai kamar maza mai kimanin shekaru hamsin da takwas mai suna Nana Khadija ta rungumi sana'ar wacce ta yi gadon ta ga iyayenta inda ta maida wannan sana'ar kira a matsayin sana'ar da take bugun gaba da ita ta yi tafiya da kafaɗa da kafaɗa da maza. Abin da ya sani kewa wa ga kira saboda in ruha mu na asiri kuma in ruha ma ɗiya na ni garan ta ga babana shi ko babana ya garan ta ga baban shi dan haka mu yi kalmi mu yi tsina mu yi laushe mu yi macamki duka muna yin shi kira ga ita muka ci da ita muka sha kira sana'a ta nan mai sheta dan ban da wata sana'a sai kira nana Khadija ta bayyana yanda ta gaji martabobi daga kakanta da babanta inda take bayyana su a gurin wasannin 'ya'yan makera. To lalle mu dai kakakin nan mun bar mana martaba dan har yanzu in wani abu ya tashi inda na kira na da na ɗauko maganin ɗan yawa in Allah ya rato kuma Allah yana cika min guri na alheri muna yin wasa hota to duka dai a matsayi na mace da kan kakana ya gwada min da uba na. wani makwabcinta mai kai mata aiki wanda kuma take taimaka musu da maganin karfe idan za su tafi gurin biɗa ya jinjina mata akan aikin nata da yake ita gado ne ta yi makwabciyar mu ce kuma tana taimaka mana da magunguna na karfe yayin da mun kaje wurin biɗa. lokacin damuna muna kai mata mata kayayyaki na aiki tana gyara muna gaskiya muna jinjina mata sosai tana ba mu mamaki gaskiya ga irin wannan lokacin yadda ta nuna martabobi irin na makera mace mai kamar maza uwar gida na na Khadija ta samu abin rufin asiri ne a cikin wannan sana'ar ta ta tarin gume ta kuma ta rike ta gamgam ba za ta iya barin ta ba kamar ta zayyana mana in dai ba kira tamban ga irin sana'a da ne san zai iya in bar kira tamba in komo ga wata sana'a dan ga ini wani bi ina Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour Salamoto, bonjour Fantan. Bonjour Gourouza. Apparemment, vous avez pris du café. <laughs> en on est en forme quand même. Oh, <laughs> et Gourouza, parlons des éliminatoires de la Champions League et de la Coupe de la Confédération africaine, dans lesquelles deux de nos équipes sont engagées. Oui, effectivement, euh, Salamoto. Demain samedi 24 août 2024, l'équipe de la garde nationale du Niger sera face à Raja de Casablanca du Maroc aux environs de 20h pour le compte du match retour des éliminaires euh, de la Champions League africaine de football. Vous rappelez, l'équipe nigérienne a été tenue en échec sur ses propres installations par les Marocains sur le score de 2 buts à 1. Le dimanche 25 août, Fan va accueillir euh, l'équipe togolaise de Kara SCK au stade général Sénékounké de Niamey. Au match aller à Lomé, les Nigériens de l'ASFAN ont fait une bonne réalisation en faisant un match nul, deux buts partout face aux Togolais. Et à Mayahi... le TGV se poursuit toujours. Oui, Fanta, Espoir de Sarkin Hausa et Juva de Mayahi... ont fait match nul, un but partout. L'équipe des anciens a battu Nasrawa, un but à zéro. Zongo a disposé de l'élevage 3 buts à 1, suivant les explications de Abdou Moussa, un des encadreurs au micro de Issoufou Chaibou. wannan tgb da aka shirya saboda allah yana da mahimmanci tunda mu a nan ne muke dibawa mu selectioner yaran da ya kamata wakilta jam mai kuma akwai yara matasa maji gaba in an kama musu da kamuwa mu da kamuwa magabata suna iya wani abu akwai da yawa yara suna da wannan dan gyara da za a musu ba wani mai yawa bane kalilan ne amma su ma sai in yaran sun bada haɗin kai tunda ba a yi wa mu mun ba da haɗin kai su ba su ba da haɗin kai ba abu ya daidai da ake so kenan sai sun haɗa kansu mu ma sun ba mu haɗin kai sannan a samu a cimma abin da ake ni Bon, voilà, euh, vous avez euh, écouté l'encadreur euh, de ce TGV du Mayaï, Abdou Moussa, au micro de Issoufou Voilà pour le sport. Merci beaucoup, Grouza, pour cette page eh, sport. il faut noter que lundi, ce serait Salamato Kadri pour le sport. Effectivement, Grouza, merci beaucoup. Et tout avant lundi. <laughs> Nous allons enchaîner, nous allons poursuivre notre émission avec euh, le portrait du jour. Et oui, dans le portrait de ce vendredi, nous allons à la rencontre de Nadia Sani Anaroua, une élève en classe de 3e de la commune rurale de Karkara, département de Djundju. À 16 ans, cette jeune fille, en plus de ses études, mène d'autres activités en parallèle. Par exemple, elle se déplace pour tresser ses clientes à leur domicile. Le portrait est signé Samira Rouafi. Élève et entrepreneur, Nadia Sani Anarwa profite de ses grandes vacances pour exercer ses activités génératrices de revenus. Elle coiffe et tatoue henné. Selon ses explications, c'est depuis toute petite qu'elle a commencé ce travail. Pour commencer, je suis une élève. Je fais les tricotages, je tresse les gens. J'ai commencé cette activité dès en classe de CM1. Je regarde ce que font les gens et je me suis instruite dedans. Maintenant, Dieu merci. À Karakara, elle est la seule jeune fille qui allie mise en beauté de la tête aux pieds. C'est une artiste de renom dans son village où grâce à son savoir-faire, elle est la plus sollicitée surtout à l'occasion des cérémonies. Pendant les week-ends ou bien quand il y a une cérémonie, je reçois des clientes. Mais les frais de prestation ne sont pas conséquents, vu que ce n'est pas dans les grandes villes. Je m'en sors souvent avec 4000 francs CFA. Des clientes viennent sans prendre de rendez-vous. Souvent, je reçois même les femmes des enseignants pour les tresses et les hymnes. Elles sont patientes avec moi parce qu'elles savent que je suis une élève et j'aide dans les travaux ménagers. Nana Farida, amie et cliente de Nadia, apprécie son travail. Elle est totalement satisfaite. Je trouve vraiment bien son travail, puisque quand elle nous tresse, les gens ne font qu'apprécier et nous demander l'auteur. Et en plus, nos cheveux ne font que pousser. la bénisse pour En tout cas, la jeune fille s'est conciliée études et affaires, surtout pendant l'année scolaire. Et pendant ses vacances, elle ne se prive pas de mettre les bouchons doubles pour préparer la reprise des classes. C'est vrai, il y a un temps pour étudier et un temps pour travailler. Parce que des fois, pour les études, il n'y a pas un temps précis. C'est pendant les vacances qu'on arrive à bien exercer son travail. Ça nous permet de préparer la rentrée. Parce qu'à la rentrée, on ne nous donne pas assez de fournitures. C'est grâce à ces métiers que j'arrive à acheter mes fournitures, même si mes parents n'arrivent pas à me les acheter. Le rêve de Nadia nawa c'est d'être fonctionnaire de l'État pour servir sa commune. À défaut, ouvrir un salon de coiffure moderne pour professionnaliser son métier. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait du jour. Euh, dernier tour en musique avec Adélie qui nous chante, euh, qui nous chante, euh, comment elle s'appelle, Fanta Ayuba Maman, n'est-ce pas Il nous chante Sasobu, une manière de bien clôturer la playlist d'aujourd'hui. Assalamu alaikum. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. Wai kowa da lokaci mai Kumi na duniya da dalili. Ai du haifo. Nan haifo, go kula haifo, ya no gazin tik sasebu. ce ban iya ba duni ba su ne ba gani ba ni na babba ta ce na ta san ban saba ba mai in waka kokowa ce sai na lashe ta gobe kamar yadda wasu ya zama a fondi boss ibo eh, socks a pass usa gas bai nesa sorgamanu sassar sassar gamanu maga wa'ansu ba su san amma dole su bar da rabbi ne ya ba mu ba wani ɗan iska ba yau arliti zani koma aita sanda babu yaro kowa sarki ne bo arlito enfant du désert oui je viens du nord garin da ba a noma kuma cikin shi ba a yin wasa sabu Kurinye na ka gaskiya ne wasu rashidi na yi ga tebo wai fari da kurnye wai ortn ismo sinanodo albora istil goka wai nasir shallo wai habibu na yi zakmiga azizi no nojiyese dizaliga fungu ibu jallatayni baay'ee ina nezani koma kala oberjeedo wijabi teese awirra kika, rashidi teni baayi kondo goka okumanda sayigadonu shino lagoka. wasu karya ko suke yi da da da da ilanin da da da da ilanin ya bini dai ga tebo wai wa abu goka wai na sai

dan mai ga Yoruba babu bogoka aine gudali zai manga ta baba shagge ta ya raido kistaro ta yar lafai shonai ga ni koma kala haske fada ai ne fasi haske wai adama haske wai dahudu haske wai sarki haske haske babu shege uga tebu na ga gaskiya ne Allah ne ya baka ba wani katu ba Allah sirai ga tafi manafi kai mahawa ji'uni na gode zan kanya gambi zan kanya gambi adama nai ga tebo ina ya kai ni bayi mi na roti yai se laila nai ga tebo ummi wal chorano rukoya kai ni bayi haifo kalabe na hidu baay'ee. Sunuun jitaanee isaanii kooma ismoo moota hidhuu madara shidili hidha istaara wal choraanu Son. voici de retour au studio après cette parenthèse musicale pour retrouver les femmes du studio Kalangou dans le loti du jour. Fanta, de quoi parle-t-elle ce matin La rubrique euh, loti d'aujourd'hui parle de l'incivisme car il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme lors des manifestations. Tu étais avec Aminata Boubacar dans ce loti, on écoute. <laughs> Loti. Loti. si Loti. Loti. gote te kan jamani cer morgo to he grave na gi man dabo ka ka ka ka dai gidi ka ami ka yir mir lambayan te dai gidi gobu dai sama su koy gudu ira <laughs> ka newo ka dai ni ai ma sabai ga haru ifo no gogin humburan di kino ni lakkalai kanandi ai mai lakkalai kanandi din won sigri te goy kan borayo goga te non kulkin bisa addan da gobu yan gisi godi ga non gai kairi addan da gobu yan ni goga lakkal zagai ni mu dama nuwo humbu komnu hey ame shi tugun se ai bai mu te ke zongu humbur ko mu ga biste te godu mo ai mudi di igu gati kidi ga nongu yan kiri nongu yan bugu ga non kai wa hasara amman te me a ai wai si ga faham fahman dai si ai mun faham si ga faham en eh, si ga di te go ki go ga teno dan ge kan ga bore bisan di imi bugu Hmm? igu diga pine yan ton fondara yen eh, bai kan wadin moga gudura ngai hasar nu ah wane ga janga bon dumiyam mai gai fonda iga o me ni di wala la bistare tabbatan diyan

to ai fama rawo kai labistare janga beran da yannu da jama ginai janga gaksinai da janga waniyan bafunai jamara hey amuna ban si visimo kan igogici agir lakkalai kendi jinai kan go irgin da bandai bon sanga dangai kan ga bisandi ki goga bogu fonda nya berai ki goga kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda amma ihimgi jukkemi ifo kiti fonda sini wadin maganu aiwai bayara niger labu kiti tira kansa igine kod penal giri zambar hinkan di hinza a wani izibu zongu hinza da wahaku cindi ya ganta ne kan burkulkan kan na hino jinai kan di labi zai maga hasara aniya kwaraira handu hinka ga kwai jiruwai kasuno a goborabu ya mono iga bora jukke zambar hinka go ko hal zambar waranka he gunde gidi ai matu jus kwar gwa tirfa amma singa furna sai sanikin dora ibai dai ki ko bora sai led biora haru wai wai wai wane kulu kwai ni gogati a aghinga ta isibai ki da gano iga baiwo isibaiwo ai bai dai kan burkul ki dubora ka ga mata ngo korora ka dai gajir mir lambayan te ga kwagidi nan kirgu tugu ga bisa dai bi ba niske ci ga salan yi se nin kan ga faham kaina ha ifarai ta nise yan ni gani ba ayi ni bai kirgo ga chargana yan ni gani ba kalai hinge zai wo imi dorai se ayi mu kwagi salan yi se ni si ga di mata kan yi eh, goda ba ni mu ne mu ayi ga ti humbur koma to ami ka dai mir lambayan te musu, moso go kwai nan go kirgu kwai ga fatta gama wora <laughs> Chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique. Justement, Salamatou, nous sommes avec Alamine Ouachar qui va nous édifier sur le mot inondation en tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour Fanta, bonjour Salamatou. Bonjour Alamine. on va euh, un peu édifier inondation. أولا ولا تفرتنين داسشان المعنى نتا نيتا أرتكول زرين دغا تخاسرين شين تاكينا مان دغا تميرتن كونا كنا أسن تاسا غاسرين نامان موس نتارا تدي تاسين أمزي أمازي ودقتنا مان مدال دغا دي مدي ددنا ينا يقورا سم مدي دتسساكين في الجيرين أرتاوا أدي أديتاوين المسالتين وكوتنين أروادا فلقنا وقلن تفرتا سنتاسا إتلا المسالة المسالتين وكوتنين أرتوي قلنا آه، سيكيت مدير شغا شنتا جينا مانا إلا نتلمونت في التار يعني إلا نتلمونت في الغونة يعني إلا نتلمونت في لا تمغسور تكود نيت هالواد إلا نتلمونت في لقنا ويقراني سيجياك مكوين غنا شغا شنتا جينا مانا إلا نتلمونت في لا كل ويقال ويقران تمدو تمرير كل ويقال ويقران الطبيعة إموز دي غنار تدي تاوي الزرايا انتميرين لغادي أزرنو المسالتين gitnet shindita wena tagasar shinta gina mana hulen fulagana we qalantarren dattaga tasne tasto sodam da marda الحالة تانا ها قيتسنا تارين قوتنين شين وصغنين يغر ما وزورنين النيجر روادا شين وصغنين شي غير ما تين غاسي رزان انو تارين كول ازلادا تاسن تانا تامان ارتاوا يموسن المسال فلقنا ويقرن تتي ان الخالة تصوص فلقنا ويقرن تمدورنينا تموز ديغن أرتدي سيرن دغا إيجت نامان فلاستمر تمكونا كنا أنت دغتي جاتنا نامان ورا ودن كودي غرينا صوتي وانتني ودا آما نغاني جت أدي سببا شغاسر نكوتني فلا الطبيعة فليتنا فلا كل ويقرنا تمدورنا فانتا دادا ونزا زرزا فرقنا ويقرن معنا نيلون داسون يعني شغاسر شنتا جنام Merci à la mine pour ces explications en tamashek. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. abubakar abdou guete jooɗiɗo ɗo gendi agades mi yiɗi mi hokka ra'ayi am dow studio kala ngu siriji maɓɓe no woɗi sanne emen ɗumen e nana belɗum majji hakko siri ɗum ɗum ɓe ƴetta tous ala fada min jiɗi ɓe omta chaniji nder gendi niger fou nder sous région bebe da gendi bebe da shaniji maɓe sosai suna na garje mai askin karago a nan garin bande ni mai sauraron gidan rediyo cidiyo kalangu a bisa da ariyar gidan rediyo ikira abinda yake burge ni wannan shirin na matasa da kuke yin shi sosai yana burge ni ana sauraron shi ina gaida audu ramman mikiyayi wanda yake garin alhaji kadau ina gaida abu kwanci wanda yake nan garin bande ina gaida ilu na ayyaya garin kadau sunana lawali tasu gaskiya labarin studio kalangu muna jin daɗin shi kuma babu redin da muke saurare kamar su stereo kalangu kuma muna jin daɗin shi sosai gaskiya muna jin sosai muna jin daɗi fiye da ba mu tunani saboda gaskiya yana mana daɗi sosai sai dai kuma muna fatan Allah ƙara muku arziki kuma Allah musu ƙwarin gwiwa yin wannan abubuwa suna ajiya rakiya garba mazamniya anguwar mayanka to yanzu abin da ya burge ni bisa cikin harka emission inga gaskiya mun ji daɗi na studio kalangu gaskiya ra'ayinsu da suke gaskiya ya burge ni sosai ma tunda biskan harkar rayuwa na mata da na matasa ne kenan wanga abin ya kamata a karfafa shi yau ma ba ma mata ba matasan ga na zamani gaskiya ana son binkice a saman su kuma ana so sosai ma a waye musu kai tunda yanzu in musamman in kika dauki harkar shaye-shaye yanzu yanzu yara daga shekara sha bakwai kika dauka zuwa 35 gaskiya haraka sai dai mu ce dai alhamdulillah Allah dai ya kare za a ci kuma sai dai addu'a amma yanzu shayi shaye yi yawa ki dauki daga fannin ekwal daga fannin a cikin gari abin alhamdulillah sai dai a ce dai godiya ta tabbata ga ubangiji yara sai addu'a ni dai ina fata ga studio kalangu su kara wanga emission yin a kara bashi karhi a kara bashi karfi tunda bisan matasa ne kuma in aka ce matasa su ne garkuwar rayuwar al'umma. Sunana Basiru Rabiu. Eto eh gaskiya labaran studio Kalangu sosai muke sauraron shi kuma mun gamsu da shi dari bisa dari saboda ta bangaren shi muke samun labaran da suke zuwa suna zuwa. Eto eh a gaskiya labaran nasu babu wata jita jita labaru ne na kwarai na gaskiya da gaskiya saboda mun gamsu da shi sosai mun yarda da duk abubuwan da suke gai gaskiya ne shi sanya muke sauraron shi kuma muka inganta shi sosai. Ina sauraron Kalangu ta hanyar rediyon Ikirawa wannan shirin da suke na mata na wayewa kai iya birge ni inda hali a kara mai lokaci gaskiya na birge ni wannan shirin kuma kamar shirin da suke hudin lambobin wannan nasu halla ko suna hudin lambobi suna cewa a kiraye su ta wannan shi ma wannan iya birge ni gaskiya yana yana kayatar da ni ina gaida majar kinmu Aminu mai ana a magariya ina gaida yan gidan rediyon kitari da haɗin kai to kuma a nan bandi ina gaida alhula ni hatsuma Et c'est la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Salamatou Kadri. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. À la technique, nous avons Mustafa Yuba et Adam Adonwaki à l'édition. Excellent début de week-end à vous tous. Bye bye.